Maintenant, nous avons la population. Il faut dire que sur une a une prévalence d'1,42% de euh, la cécité. Et la prévalence, ça fait plus d'une décennie. Et nous avons évalué le rapport aux populations, nous avons plus de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Et nous avons établi, comment je le ministère la Santé le programme Bimonec, euh, il y a eu des stratégies qui étaient en place pour lutter contre euh, cette prévalence euh, qui est un peu élevée. Pour mon a la bon habituellement la prévalence est un peu catégorisée sous forme de ñi nga xam ne cataracte cataracte plus plus les personnes qui ils ont plus de 60 ah, ans moins troisième âge. Mhm. mais aussi il y a d'autres causes ñi y a des vis de réfraction vis de réfraction c'est ñi nga xam seen ay vers moo koy corrigé. te loolu euh, ça peut toucher toutes les tranches d'âge mais surtout les enfants mhm. et ñooñu mën na leen andi ay gàllankoor yoo xam ci wala ci euh, développement mais aussi am na yeneen cause yoo comme j'ai dit le glaucome loolu ñuy am jafe-jafe diabète diabète bi dem ba yàgg ñu am rétinopathie diabétique mais li ci ëpp c'est les personnes de comme la cataracte est la première cause presque au Sénégal et puis partout dans le monde mhm. euh, mooy ñi xam ne troisième âge mais on a beneen fièvre aussi une deuxième cause au Sénégal Moi, le tracum. Moi, li ñuy wooyee euh, bëtu xef day faral aussi xale yi suñ nekkee euh, entre un an et neuf ans ñu am ay wanet yu euh, répété mhm. plus de 30 ans ou la quarantaine c'est une bët yi xef donc ça entraîne aussi la cécité mhm. donc en gros c'est autour de cette de, de ces maladies là que tourne cette prévalence de 1,42 tey ñu def ngeen li nga xam ne mooy célébrer euh, journée jëmoon ci wàllum journée mondiale de la de la vue thème bi doon aimez vos yeux maanaam bëgg leen seen i seen i gët ñu jox li nga xam mooy priorité santé oculaire surtout jëm ci ci ñu ndaw ñi lan moo tax ñu taamu ji surtout permettre ndaw ñi seen seen i gët euh, gën a baax. effectivement euh, le 10 octobre bi passé il faut rappeler que at at bu nekk ñaareelu alxamesu octobre bi dañuy célébrer la journée mondiale de la vue ren nag mu tombé le 10 bi passé cérémonie plaidoyer ñuy waxtaan population bi ak euh, autorités décideurs pour ñu mën une autre vision une autre euh, compréhension de la santé oculaire mais aussi nous def un peu de euh, comment dirais-je résumé ci liñ defoon ci rédiger décliner les perspectives et les défis qui nous attendent pour année mais le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé c'est aimer vos yeux donner l'opportunité à vos enfants d'aimer leurs yeux moins xale surtout il faut dire que xale euh, avec exposition temps surtout sur l'écran et tout ça je vais en venir tout à l'heure La main, bon euh, c'était euh, cette journée leur est dédiée d'un coup célébré à Bambay, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées dans le sens d'appuyer les enfants concernant thème bi notamment formation enseignants pour nous mën a classe bi comporter s'il a des difficultés de vision Nous, muy manifester pour une telle ko euh, au niveau de, de, la structure hospitalière où il y a un ophtalmologiste ou un technicien pour nous manquer puisque ces problèmes de vision peuvent être source d'échec Quand yu nous faut fois niveau mhm. si on lui corrige ça rapidement sa vision nous des lunettes ça lui permettra d'avoir plus de performances scolaires et que par euh, de performance parle de, de, de, de, comment dirais-je réussite et, et de l'avenir aussi yaa ngi wax sànq ni kon écran yi nga xam moom la xale di exposé wu mën na di ngay wax sax mën na ci am trouble sommeil maanaam seen nelawin wàññ wàññeeku échec scolaire ñam tamit ay trouble alimentaire wax nañ tam prédisposition à la dépression ak li nga xam ne moo di solitude kon maanaam lañ leen di bàyyi écran yi daal amul dara lu ci baax non baaxul puisque comme ni nga wax lépp li ñuy préconiser sax c'est c'est surtout de les quatre P les quatre pas du moins quand on les quatre pas pas d'écran le matin xale bi su war a jàng ji beaucoup d'écrans, jox Tu aussi, suba des euh, euh, inhiber concentration sur les écoles. On n'a plus concentration maximale donc il bi petit écran bi captiver mais aussi on dit le deuxième pas c'est pas euh, pas d'écran euh, lors des repas Si voit un l'écran, habituellement nous sommes de c'est un bol euh, familial ou bien autour de la table donc si chacun est sur l'écran il n'y aura pas d'interaction et aussi il y a autre chose ça peut entraîner des troubles digestifs après mm. de manière indirecte xale bi su concentré wu ci téléphone au lieu de mastiquer muy lekk normalement mën na am muy wanaasu lekk donc si ne mastique pas bien bon les problèmes digestifs voilà sax mi moo des concentré wu deuxième pas bi mooy pas d'écran dans les chambres et loolu aussi mais aussi surtout pas d'écran avant de dormir mhm. parce que euh, hormone bi tax nga mën a euh, écran bleu yi mën na inhiber ba xalé bi il aura un trouble de sommeil s'il ne dort pas bien le lendemain il peut avoir des problèmes euh, à l'école mais à la solitude aussi solitude mooy des des xaw isolé wu et même il y a d'autres causes d'autres facteurs d'autres conséquences après xalé bi mm. su toogee lu yàgg stagné ci portable il devient sédentaire maanaam du du du du du bouger mën na def surpoids et un surpoids chez chez l'enfant mën andi d'autres conséquences à la limite papa yi nga wax ni def